forum du studio le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio 18h15 à Niamey. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au forum euh, de Studio Kalangou diffusé dans toutes les 8 régions du Niger et dans plus de 20 départements grâce à nos 34 radios partenaires un réseau dynamique euh, qui s'élargit avec euh, quatre euh, nouvelles radios qui ont signé ce matin même à Niamey la convention pour diffuser le programme de Studio Kalangu. Ce sont les radios Nia de Benin Fanga de, de Gaïa, Dalol de Balayara et Tarmamwa de Tessawa. Aujourd'hui, mercredi 13 février 2019, c'est la journée mondiale de la radio, une journée instituée par l'UNESCO lors de sa 36e conférence le 3 novembre 2011. C'est pour euh, commémorer cette journée que nous vous proposons le thème Contribution de la radio dans le développement socio-économique et culturel des communautés au Niger, quel impact sur le quotidien des citoyens depuis son invention en Italie par Guglielmo Malconi en 1895, il y a donc environ 124 ans, la radio n'a cessé d'évoluer. Cette invention n'a pu avoir lieu qu'après la découverte des ondes électromagnétiques par le physicien allemand Heinrich Hertz vers cette fin du 19e siècle. Quelles ont été les grandes périodes de l'évolution de la radio? Quels ont été ses premiers impacts Comment la radio est-elle arrivée au Niger Quel a été son apport dans l'amorce du développement socio-économique et politique du Niger Quelle est la place qu'occupe la radio dans la vie des communautés aujourd'hui Arrive-t-elle à jouer pleinement son rôle Les auditeurs de la radio peuvent-ils continuer à espérer de nouvelles innovations dans le secteur de la radio, très concurrencé de nos jours par la télévision, inventée une trentaine d'années après. Pour débattre de toutes ces questions, nous avons avec nous dans ce studio Kamed Abdoulaye, ancien ministre de la Communication et ancien directeur général de l'Institut de formation aux techniques de l'information et de la communication EFTEC la principale école qui forme les professionnels de la radio au Niger est l'une des plus grandes de la sous-région. Kamed Abdoulaye, bonsoir. Bonsoir. Et Moussa Hassan, secrétaire général de la coordination nationale des radios communautaires au Niger. Bonsoir, SIG. Bonsoir. À la présentation de ce forum, Michel Deji. Pour commencer, Kamed Abdoulaye, dites-nous comment la radio a-t-elle évolué dans le monde en général et au Niger en particulier euh, Merci beaucoup, Michel. Euh, l'évolution de la radio, vous l'avez carrément indiqué, a été marquée par, euh, de manière la plus significative par la mise et la domestication des ondes courtes qui ont permis aux uns et aux autres, effectivement, de diviser, de diffuser l'information sans qu'on ait besoin de faire de gros investissements. Et c'est avec la découverte de la FM, effectivement, qu'il y a une révolution véritablement technologique qui a créé les conditions de proximité avec les diffuseurs et les auditeurs. Sinon, euh, pour l'évolution de la radio au Niger, nous avions déjà commencé au Niger à des dates que vous connaissez déjà. Je n'ai pas besoin de revenir là-dessus. Il suffit simplement de cliquer sur euh, Google pour avoir toutes ces informations et éventuellement euh, les informations sur l'évolution de la radiodiffusion. Je voudrais quand même préciser qu'au Niger, la radio communautaire la radio tout simplement, publique notamment, celle que j'avais animée depuis 1976, celle que j'avais dirigée entre 1983 et 1985, Cette radio publique, dis-je, est une radio qui a participé effectivement à l'information du public nigérien. Parce que dès le départ, en tout cas dès les premières euh, quatre années, le politique nigérien, la ligne éditoriale de l'ORTN a consisté à la mise en place d'une grille de programmes tenant compte dans une très très large mesure des avis des auditeurs et des auditeurs pas obligatoirement de Niamey seulement, des auditeurs du Niger en entier. Et donc c'est cette grille de programme qui déjà en 1976 a consacré la mise en place des émissions, au-delà des informations, des émissions en langue nationale. Donc, si effectivement on peut parler d'un outil qui a créé un apport, qui a un impact sur l'évolution sociopolitique et économique de notre pays, c'est véritablement la radio, parce que c'est avec la radio que les uns et les autres se sont informés c'est avec la radio, effectivement, qu'on a appris à exploiter et à valoriser les langues nationales. Et dès le départ, déjà dans les années 76, quand nous avions été recrutés, les langues nationales étaient utilisées. Non seulement pour donner les informations, les bulletins d'information, mais également à travers des émissions élaborées, comme des chroniques sanitaires, comme des magazines de toute nature, effectivement, qui pourraient effectivement permettre et qui ont pu effectivement, à travers les radioclubs, mais également les émissions telles que le théâtre radiophonique, à participer à l'éveil des consciences. En gros, s'il faut parler des principaux impacts euh, qu'on a eu avec l'arrivée de la radio au Niger, euh, qu'est-ce qu'il faut dire euh? Je l'ai déjà dit, ce qu'il faut dire effectivement, la radio a contribué effectivement à une sorte de veille de conscience, ne serait-ce qu'à travers la mise à disposition des populations des informations utiles à leur épanouissement, utiles à, leur... Euh, mais au-delà des informations, les informations, bulletins d'information tels qu'ils viennent de passer tout à l'heure, les émissions élaborées qui ont été effectivement conçues, animées dans les langues nationales, ont mise à la disposition des populations nigériennes des informations susceptibles d'être utilisées comme des références. Références dans leur comportement quotidien, des références dans le comportement des parents par rapport à la formation, des parents par rapport à la, la, au blocage que les, gens, les uns et les autres ont réussi à organiser euh, pour euh, organiser une lutte contre les stéréotypes mm-hmm. qui ont caractérisé effectivement le développement des sociétés d'Afrique parce qu'elles étaient accrochées à leurs euh, valeurs de civilisation et ces valeurs de civilisation, pour certaines, ne coïncident pas avec le comportement progressiste. Vous avez donc eu à faire l'historique de la radio Niger qui a été installée en octobre 1958 par le pouvoir colonial. Sa gestion était assurée par la Société des radiodiffusions de la France d'outre-mer, euh, Sorafom, qui deviendra après l'indépendance l'Office de coopération radiophonique. L'ORTEN a été créé par la loi numéro 67-011 du 11 février 1967, modifiée par l'ordonnance numéro 78-21 du 12 octobre 1978 en tant qu'établissement public à caractère industriel et commercial doté de la personnalité civique et de l'autonomie financière. L'ORTN est placé sous la tutelle du ministère de la Communication et régie par euh, les ordonnances relatives au régime général et à la tutelle des établissements publics, euh, sociétés d'État et sociétés d'économie mixtes. Moussa Hassan, secrétaire général de la Coordination nationale des radios communautaires du Niger. En 1999, euh, le Niger s'est lancé dans une autre expérimentation de la radio avec sa première radio communautaire installée à Bankilare dans la région de Tilaberi. Expliquez-nous ce que représente la radio communautaire, son importance au Niger. Euh, merci. Euh, la radio communautaire, en fait, D'abord, ce qu'il faut comprendre à la différence des autres euh, médias, c'est que c'est un outil de développement euh, voulu par les communautés, en ce sens que ce sont les communautés qui se sont organisées en association avec l'appui évidemment des partenaires euh, je vais indexer tout de suite euh, son Excellence, Monsieur le Ministre, qui était dans le premier comité de pilotage des médias communautaires au Niger. Mhm. Et euh, il s'en souvient aussi que les femmes de Banquilaré, je vais dire directement les femmes de Banquilaré, étaient très émerveillées de voir que, parce que c'est elles qui ont demandé à avoir une radio communautaire. Et c'est de là que, en fait, dans toutes les zones, nous avons essayé de copier pour avoir la même station. Et à la différence des autres médias aussi, c'était des, aussi des radios solaires qui permettaient en fait aux communautés de ne pas eh, fournir assez d'énergie pour faire fonctionner eh, la radio. Et en même temps, ceux qui travaillent sur ces radios communautaires ont reçu eh, le BAP de formation avec euh, le, comité, le comité de pilotage des radios communautaires, dont c'est des partenaires qui sont dans ce comité de pilotage des radios. et donc, c'est les fils du terroir, c'est les mêmes langues vous voyez, c'est là que vient la valorisation même de la langue mhm. et aussi la valorisation du patrimoine culturel de la zone. Et avec euh, l'événement des radios, vous voyez, les communautés étaient intéressées parce qu'avant, il fallait euh, faire monter euh, un enfant sur cheval pour aller dire que tel vieux est décédé et il y aura mariage, c'est un tel. Et aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, c'est même des débats qui s'animent sur les radios communautaires. Aujourd'hui, quand vous allez dans les, dans les villages les plus éloignés, vous allez trouver des parents qui ont compris que inscrire un enfant à l'école, ce n'est pas un problème ce n'est pas que tu es en train de, de, lui donner une autre forme d'éducation qui ne va pas le faire contribuer au développement. Donc, euh, en tout cas, l'utilité de ces radios n'est plus à démontrer. Aujourd'hui, beaucoup de, de, conflits ont, ont été réduits à cause de l'implantation de ces radios-là. Selon la directrice des médias communautaires euh, au ministère nigérien de la communication au Niger, nous avons actuellement 164 radios communautaires fonctionnelles qui constituent des radios de proximité ayant un impact positif sur la vie des populations car euh, elles informent sur euh, les sujets essentiels, notamment la santé, l'éducation, la sécurité. Madame euh, Albadia Borica est au micro de Adam Adawaki. Sur les 184 radios communautaires que nous avons au Niger, 164 sont fonctionnelles à travers toutes les régions du Niger. Je peux vous affirmer que les radios communautaires ont un impact positif, étant des radios de proximité qui réalisent et diffusent des informations, des messages de sensibilisation aux populations. Par exemple, on parle de la santé, de la reproduction, on parle du sida, on parle de la paix et de la sécurité. Donc, ces radios de proximité invitent les populations à être sur leur garde, à être en parfaite collaboration avec les forces de défense et de sécurité, par exemple, dans le cadre de la paix et de la sécurité dans notre région. Quand on écoute les sensibilisations, là, on est sûr de ce qui va se passer et là, on prend les dispositions qui s'imposent. Moussa San, secrétaire général de la coordination nationale des radios communautaires euh, au Niger, quels sont les grands changements que votre coordination a apportés pour un meilleur fonctionnement de ces radios et les défis qui se posent à elles aujourd'hui euh, avant de, donner une réponse à, cette question, je m'en vais vous rappeler qu'en en 2000, en 2006 euh, plutôt, on était seulement à 97 radios communautaires mm-hmm. au Niger. Et, euh, en 2016, avec l'étude d'état de lieu des radios communautaires que nous avons dirigentée, avec l'appui de la coopération danoise à travers le consortium IMS IPAWATIC 19, ont été à 179 radios communautaires. Et la situation de ces radios ont été fournies dans ces rapports-là. Et en mars 2017, avec le répertoire des radios, on était venu à 484 radios. Donc, ce n'était même pas 164 qui n'étaient pas aussi qui, qui étaient fonctionnels, c'était 152 qui étaient fonctionnels. Et grâce à l'appui euh, de la coordination des radios à travers des lobbying et des dossiers que nous avons présentés au niveau des partenaires. Et les 12 ont été réhabilités. On a réhabilité 12 mhm. radios communautaires et on a renforcé aussi 22 autres radios communautaires parce que nous avons compris que les communautés veulent le fonctionnement de ces radios-là dans les, dans les zones. Et ensuite, il faut comprendre que nous avons fait en sorte d'élaborer aussi une charte. Parce que ce qu'il faut rappeler, c'est qu'au niveau de chaque région, du Niger, à part ngamé qui en forme euh, un réseau, il y a sept réseaux de radios communautaires au niveau des régions. Et c'est sept réseaux qui forment encore la coordination nationale des radios communautaires. Donc on s'est mis ensemble pour harmoniser nos actions parce qu'il ne faut pas travailler de manière éparpillée. Mhm. Renforcer les capacités de ceux qui euh, sont en train d'animer ces radios. Nous avons élaboré un guide genre radiophonique qui a été mis à la disposition de toutes les radios communautaires nous avons élaboré la charte des radios communautaires et euh, près de 163 radios ont participé à l'élaboration de cette charte-là. Aujourd'hui, cette charte a été mise à la disposition de toutes les radios et déposée au Conseil supérieur de la communication et au niveau du ministère de la communication. Nous sommes aussi derrière, d'ailleurs, un avant-projet de loi euh, sur le financement des radios communautaires parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, au Niger, c'est simplement les radios commerciales qui bénéficient du fonds d'aide à la presse et ces radios communautaires qui sont proches des communautés, qui sont en train d'apporter leur euh, contribution à l'éveil de conscience des communautés, à la participation de ces communautés au développement de notre pays, et, qui ne bénéficient pas d'appui. Les gens vivent dans la précarité. Le matériel, c'est un problème. Euh, les capacités pour animer la radio, c'est encore c'est un autre problème, mais aussi les ressources pour faire fonctionner la radio. Aujourd'hui, dans beaucoup de zones, il y a l'électricité, mais si la radio va sur l'électricité, au moins c'est 80 000 francs de, facture de la Nigélec par mois. Donc cela, il faut, il faut un appui. Nous avons fait en sorte que dans beaucoup de zones, qu'il y ait un cadre aussi euh, entre, euh, relationnel entre la, la mairie et la radio, de manière que la mairie puisse apporter. Et j'ai vu des morts qui ont été aussi très dynamiques, qui ont contribué parce qu'ils ont pris au moins le gardien, son salaire euh, par mois pour que celui-là puisse garder la radio. Donc ils ont compris l'utilité parce que les radios contribuent d'abord à la mobilisation des ressources internes, à la mobilisation des populations autour des vaccinations. Aujourd'hui, le ministère de la Santé nous félicite chaque fois pour dire que les radios sont en train de contribuer pour ça. Et aujourd'hui, au niveau du ministère de l'Éducation nationale, il est reconnu que les radios ont apporté leur contribution par rapport à la scolarisation des jeunes filles au ministère de la Communication, il y a une direction en charge des, médias, communautaires. Est-ce que vous n'avez pas des appuis venant de cette direction Oui, on a, des, on on a des appuis parce que même les, les projets que nous nous faisons, nous passons par le ministère de la, de la Communication parce qu'il euh, faut avoir l'appui de l'État pour, pour, pour, faire avancer les choses. Au niveau du PNUD, le ministère a cherché beaucoup d'appui. Il y a même des radios, au moins six radios de DIFA qui ont été réhabilitées récemment. Mhm. Et c'est grâce à, l'implication de l'État. Et c'est même ce que nous nous attendons. Nous voulons l'implication euh, de nos gouvernants pour que ces radios-là puissent survivre, pour que la viabilité de ces radios-là soit une réalité. C'est ça. Je voudrais, avec euh, votre autorisation. Kamed vous avez la parole. Merci beaucoup. Donc, avec votre autorisation, apporter un témoignage, mhm. parce que par un hasard, Extraordinaire. Je me suis retrouvé également en train de piloter cette expérience nigérienne en matière d'installation des outils de communication de proximité tels que les radios communautaires, déjà en 1999. Et là, c'était un consortium qui a été mis en place. PNUD, ACMAD, SNV. Sur la base de l'expérience dont Hassan avait parlé tout à l'heure, la réaction des populations des banquilleries, des femmes des banquilleries qui avait réussi à organiser un accueil assez intéressant au profit d'une délégation du PNUD. Mhm. Et c'était un programme de lutte contre la pauvreté qui était accompagné par euh, le directeur général euh, de l'ACMAD en son temps, qui s'appelle euh, Boulahia Mohamed. <clears throat> L'important, ce n'est pas son nom, c'est qu'il était à Akmat et c'est, ACMAT, c'est la météorologie nationale. Quoi. Euh, c'est vraiment la météorologie plutôt internationale. Et là, il a été marqué par la qualité de l'accueil et il a été marqué par l'intérêt manifesté par ces populations de disposer d'un outil qui va leur permettre de communiquer elles-mêmes directement dans leur langue. Et donc, c'est à l'issue de cette euh, première expérience, effectivement, que euh, le consortium a été mis en place. Mm-hmm. Et il a été avec l'appui de la puissance publique nigérienne déjà. Déjà en 1999, c'était avec la caution de l'État du Niger. À l'époque, moi, j'étais directeur général de l'Agence nigérienne de presse. Et j'ai été autorisé par la puissance publique, en l'occurrence le ministère de la Communication, à participer à un test devant recruter une personne susceptible effectivement d'initier la mise en place des outils de communication de proximité à mettre entre les mains des populations et à l'initiative des populations. Et c'est bien pourquoi j'ai participé à ce test. Effectivement, je me suis retrouvé euh, admis et là, j'ai commencé à travailler à la SNV Niger pour le montage de ces projets-là. Et euh, une des premières choses qui, ont été conçues, c'est la mise en place, l'accompagnement à mettre à la disposition des associations de promotion des réseaux communautaires. C'est pour expliquer un peu ce que Hassan disait tout à l'heure. Mm. Ce sont les populations elles-mêmes qui ont fait la demande. C'est en réalité des associations de développement qui ont fait des demandes. Et ces demandes ont concerné dès le départ la totalité du pays, la totalité des régions. Et en moins de trois mois, effectivement, le consortium ACMAD PNUD SNV a réussi à mettre en place plus de 174 associations de promotion des radios communautaires. Mm. Et dès le premier jet, avec le financement du PNUD, le financement de ACMAD, le financement de euh, SNV et puis d'autres partenaires au développement qui sont intéressés par l'expérience, notamment l'UNICEF, le FINIAP, ça s'appelait à l'époque. On a réussi à installer les huit premières radios communautaires, en l'occurrence Banquilari, et, et, bien les huit premières. Hmm. Et pour les mettre en place, vous savez qu'il y a trois dimensions. La première dimension, c'est la politique managériale, de ces outils de communication de proximité. Mhm. Et c'est bien pourquoi il a été mis en place à la disposition de ces radios communautaires, de ces outils de communication de proximité, ce que Hassan avait appelé tout à l'heure la charte. C'est pourquoi ces radios communautaires ont été déjà consacrées à travers leur charte comme à la fois apolitique et non confessionnelle. Et il a été également consacré que c'est un fonctionnement sur la base du volontariat. Il a été également consacré que le patrimoine dont disposeraient ces radios communautaires euh, relève de la radio communautaire elle-même. Ça, appartient aux populations, ça appartient à l'association. Mm-hmm. Ça n'appartient pas à la puissance publique nigérienne, ça n'appartient pas aux animateurs ou aux directeurs des radios. Ça, c'est la politique managériale. Ensuite, il a été mis en place un outil de formation de gestion et de management des médias comme la radio communautaire. Ensuite, il a été mis en place un module, ou une série de modules plutôt, excusez-moi, une série de modules pour la formation des animateurs, la formation des journalistes, la formation des techniciens d'exploitation et la formation des techniciens de maintenance. Ça, c'est la politique managériale. Maintenant, au-delà de la politique managériale, il a été mis en place des grilles de programmes avec une ligne éditoriale très précise, où il n'était pas question de présenter des bulletins d'information comme ça, mais où il était plutôt question de consacrer 70% de la grille du programme aux émissions élaborées allant dans le sens du développement tel qu'il a donné des exemples tout à l'heure. Le mariage précoce, la scolarisation, la scolarisation de la jeune fille, la scolarisation tout court, la lutte contre le sida, la, tout ce qui préoccupe les populations euh, nigériennes notamment. Donc ça, c'est euh, ce qu'on a pu appeler la ligne éditoriale qui est intervenue et pour supporter effectivement le cadre managériel qui a été mis en place. Mais au-delà, il a été mis en place une organisation pour que ces radios communautaires continuent à agir avec une ligne éditoriale indépendante et quelque peu autonome, y compris vis-à-vis même des partenaires qui participent au financement de ces activités. Parce que la souveraineté de ces radios communautaires est totalement inviolable. Inviolable. Ça, c'est consacré vraiment pour protéger, pour éviter qu'elles deviennent des objets manipulés par le bailleur de fonds ou manipulés par n'importe qui ou par, manipulée par des politiques. Et, on a balisé, en la consacrant comme étant un outil de communication de proximité apolitique et non hein, confessionnel, on a parfaitement balisé et effectivement, je n'ai pas à regretter ça. Parce que depuis l'installation de la première radio communautaire de 1999 à maintenant, je n'ai jamais, oui, parlé d'un conflit suscité par la radio communautaire euh, nulle part. Mm-hmm. Et les radios communautaires se sont organisées pour éviter de participer aux campagnes politiques, notamment, qui se sont succédées dans notre pays. Parce que là, elles tiennent à leur ligne éditoriale qui en fait des outils de développement au service du développement de la communauté, tout simplement, pas au service des chapelles. Merci. Enfin, <coughs> allez-y. oui. Moussa Hassan, en ce qui concerne la couverture euh, du territoire national, euh, par rapport à ces radios communautaires, nous avons vu que nous en avons 164 qui sont fonctionnelles. Est-ce que vous êtes euh, satisfait au niveau de la coordination des radios communautaires euh, de cette couverture Est-ce que euh, vous pensez que les radios communautaires arrivent à toucher le maximum de population de l'ensemble du pays Récemment, je vous dis, je vous disais que sur les 164 fonctionnels, n'est pas que ça couvre toutes les communes. Parce que au début, la politique, c'était de faire en sorte aussi que toutes les communes, quand les communes arriveront, que les 265 communes soient euh, couvertes par des Chacune radios, soit dotée de radio. Parce que quand vous vous référez à ce que vient de dire monsieur le ministre, que c'est un outil qui appartient à la communauté. Donc, si chaque commune a une radio communautaire, les communautés de cette commune-là peuvent contribuer à la vie de cette radio-là, à la gestion de cette radio-là. Est-ce que je me fais comprendre mhm. Il y a beaucoup de communes aujourd'hui qui sont en train de demander des radios communautaires. Parce qu'une radio, par exemple, qui est à, à, Wallam, peut ne pas aller jusqu'à Tondikwindi. Donc Tondikwindi sera dans le besoin d'avoir une radio communautaire. Et on ne peut pas en empêcher. Parce qu'ils ont vu l'utilité. C'était pour faire de ça un outil de développement. Et il y a un autre point très important que eh, je fais revenir là-dessus, c'est par rapport à la programmation radiophonique. Le ministre l'a dit, les communautés se sont réunies dans des comités consultatifs où il y a la représentation des femmes, où il y a la représentation des jeunes, où il y a la représentation des vieux, où les services techniques sont invités. et même les autorités sont invitées, mais à titre honorifique. Les communautés disent, les femmes disent, nous, nous préférons notre émission nous, qui, nous concerne à 9h. Parce qu'à 9h, nous sommes sur nos marmites et nous pensons qu'on va nous laisser le poste radio pour qu'on puisse écouter. Hmm. Les jeunes disent que eux, ils préfèrent que l'émission passe à partir de 16h. Parce qu'en ce moment, nous sommes autour de notre thé. Hmm. Et c'est comme ça que même les radios ont, sont arrivées à créer aussi des clubs d'écoute autour de ces radios communautaires qui contribuaient aussi à la vie de la radio, qui participaient au débat, parce que nous organisons des débats aussi, mais des débats organisés qui ne touchent pas une autre communauté, qui ne touchent pas une religion, qui ne touchent pas le politique. On ne fait pas ça, vraiment. Nous, pour nous, qu'est-ce que, en tant que jeune, par exemple, je peux apporter pour le développement de ma communauté Ça veut dire que votre vœu, c'est qu'il y ait plus de radios communautaires. Qu'il y ait plus de radios communautaires, que partout où euh, il n'y en a pas, une radio qui peut couvrir la zone, de faire en sorte que cette zone-là aussi est une radio. Souvent, qu'est-ce qui bloque pour arriver à cela euh, Les moyens financiers et le partenariat. Tu vas trouver un partenaire qui a assez de moyens, qui n'intervient qu'à Maradi, qui n'intervient qu'à Zender. Donc, si c'est dans la zone de d'Osso, ça veut dire que pour avoir le partenaire qui va financer cette radio, c'est une difficulté. C'est vrai que j'ai vu dans des zones où les communautés elles-mêmes ont fait des cotisations, mais avec un peu d'appui de partenaires, ont pu euh, euh, acheter les matériels de la radio. Mais ce n'est pas facile. Je voudrais, avec euh, votre autorisation également, euh, finir par euh, mon, enfin de tout à l'heure, là, parce qu'il y a la dimension technique qui a mhm. été consacrée comme une originalité, voire une spécificité nigérienne. Mhm. Parce qu'au plan technique, le Niger, l'expérience nigérienne a utilisé l'énergie solaire privilégier l'usage de l'énergie solaire parce que l'énergie solaire est une énergie suffisamment abondante ici chez nous, mhm. comme vous le savez. Ensuite, nous avions privilégié l'utilisation des matériels uniformes OneTalk, qui est transportable, qui est facile à être manipulé et qui est facile à être maintenu en l'état. Ça, c'est une expérience spécifiquement nigérienne d'usage de l'énergie solaire et d'usage des matériels uniformes de radiodiffusion avec la FM. Mais au-delà, chaque radio communautaire a été utilisée comme un centre d'information documentaire, un pôle de développement. À partir de ces pôles, toutes les activités génératrices de revenus sont susceptibles, ont pu être organisées par les radios communautaires, effectivement, pour apprendre aux paysans, pour apprendre aux femmes, pour apprendre aux jeunes qu'ils ont la possibilité d'inventer leur développement localement. Pour faire vivre les radios communautaires, ils ont besoin d'inventer des activités génératrices de revenus dont ils auraient la maîtrise, dont ils contrôleront les revenus et effectivement pour promouvoir un développement local endogène qui est contrôlé par la communauté elle-même à travers sa radio. Mm. Et c'est pourquoi tous les directeurs de radio communautaires, tous, je dis bien tous les directeurs de radio communautaires ont été formés en technique de planification, en technique de management. Au-delà de la gestion des effectifs, au-delà de la gestion des grilles de programme, non, non, non, ils ont bénéficié des formations en planification. Mais l'expérience que j'ai retenue, qui m'aura marqué, quelque peu négativement. Je ne sais pas, je suis en train d'hésiter pour, qualifier ça. Donc, je, n'ai même pas besoin de qualifier ça. Je, constate que les jeunes qui ont bénéficié de ces formations ont été quasiment happés par l'environnement, hmm. les projets et les autres partenaires. Parce qu'ils ont bénéficié d'une formation de qualité et ils ont quitté la radio pour se retrouver employés par des projets ceux même qui nous avaient appuyés effectivement pour la mise en place de ces radios communautaires. Ça veut dire que ces radios communautaires ont aujourd'hui beaucoup besoin de ressources humaines. Kamel Kamed Abdoulaye, nous allons évoluer, ancien ministre de la Communication. En gros, quel a été l'apport de la radio dans l'amorce du développement socio-économique et politique du Niger ou carrément de la démocratie Très bien. Donc, euh, l'apport euh, de la radio dans la démocratie d'abord. Vous savez, il y a des émissions radiophoniques qui sont telles que le théâtre radiophonique, mhm. qui sont des carrefours de la liberté d'expression, qui consacrent la liberté d'expression à travers la création des œuvres de l'esprit radiophonique. On assiste à quoi À l'éclosion d'idées assez progressistes, effectivement, qui affichent à la diffusion puisque en, matière de radio-diffusion, on s'adresse à l'oreille. Mm-hmm. Ces animateurs de la radio de Zender, de la radio de Niamey notamment, ont réussi, à travers cette troupe théâtrale, à une culture démocratique, une culture progressiste aux auditeurs nigériens, parce qu'on leur a appris l'esprit de la critique. Mais au-delà, même ces pièces théâtrales-là ont réussi à critiquer les animateurs et les journalistes eux-mêmes. Même en période d'exception, les pièces théâtrales ont dénoncé à travers leurs, pièces des comportements de certains collègues, de certains collaborateurs, effectivement, qui avaient des comportements et qui jurent avec euh, la liberté de presse, qui jurent avec la démocratie. Maintenant, par rapport à l'épanouissement de notre peuple, les le développement socio-économique, vous savez, l'information est la source première de tout développement. L'information est ce que l'oxygène pour le corps humain. Et la radio contribue à cela. Et la radio, en contribuant à la mise à disposition des auditeurs l'information et information utile, mmh. information pertinente, apprend aux populations commencent à leur destin. Ne serait-ce que pour ça, les radios, autant que les autres médias du reste, ont contribué effectivement à l'éveil des consciences, à la prise en compte des populations, de leur destin. Mhm. la radio continue à offrir des plateformes de dialogue et de débat sur des questions brûlantes traitant du quotidien des vies des populations, mais arrive-t-elle aujourd'hui à véhiculer des nouvelles perspectives positives sur des thématiques telles que le mariage des enfants, l'excision, l'émancipation de la femme, la démocratie, la bonne gouvernance, la lutte contre la corruption, etc. J'avais commencé à l'effleurer dans mes mhm. premières idées. Et, si je le prends par étapes, comme l'a dit Monsieur le ministre, hmm. par rapport à la démocratie, par exemple. Aujourd'hui, selon vous, quels, sont les domaines dans lesquels vous pensez que la radio doit être euh, plus active Aujourd'hui, vous voyez que les femmes dans, les zones rurales arrivent à s'imposer, même dans les partis politiques, pour dire moi, je veux être candidate, je veux être conseillère mm-hmm. dans ma zone. Ça, c'est grâce à la radio communautaire. Et je vous dis sincèrement, j'ai été avec, auprès de beaucoup de responsables et journalistes des radios commerciales à Ils me disent que même à quand ils tendent le micro à, quelqu'un, mm-hmm. à l'homme de la rue, si, je peux m'exprimer comme ça, s'il répond, c'est que c'est quelqu'un qui, dans sa zone, il y a une radio communautaire. Mais, mais les citadins, ils courent. Quand tu tends le micro, pour eux, je vais dire quelque chose et on va m'arrêter. Non. Ça veut dire que. Je vous dis, nos mamans qui viennent, qui viennent à Niamey, mhm. quand tu les tends le micro. Ils sont plus habitués. Elles, sont habituées, elles mhm. s'expriment. Elles disent ce qu'elles pensent sans pour autant attaquer l'autre. Tu vois, ça c'est déjà un point très fort. Et par rapport même aux élections, vous avez vu que aujourd'hui nos populations ont compris que c'est un droit, mais c'est aussi un devoir pour eux d'aller voter. Mhm. Ça, c'est un, point très fort. J'ai vu des, parents qui sont allés auprès des maires pour exiger que le PV du conseil soit affiché parce qu'ils veulent voir. Parce qu'ils ont tiré leurs enfants qui sont allés à l'école pour voir. Ça, c'est un point très important. Ces gens qui habitent donc euh, dans les zones rurales arrivent à bien contribuer à la vie, à la participation citoyenne. donc, à travers ces radios communautaires, nous allons continuer pour euh, venir à présent à la célébration ce jour, mercredi 13 février 2019, de cette journée mondiale de la radio date anniversaire de la création de la radio des Nations Unies, juste après la Deuxième Guerre mondiale en 1946. Cette journée marque l'occasion pour le monde entier de célébrer les valeurs et la joie qu'offre la radio en tant qu'instrument rassembleur et de promotion du bien-être ainsi que du développement. Dialogue, tolérance et paix est le thème retenu pour la célébration de cette huitième édition de Journée mondiale dédiée à la radio. La radio peut et doit en effet contribuer à promouvoir le dialogue, la tolérance et la paix. Kamed Abdoulaye, ancien ministre de la Communication, quelle est l'importance de la célébration d'une telle journée La célébration d'une telle journée me rappelle effectivement le contenu des grilles de programme des radios communautaires. Hmm. Et me rappelle également le contenu de la grille de la Voix du depuis 1978. Dans la dimension que vous avez évoquée, que vous avez appelée tout à l'heure tolérance, euh, la culture de la tolérance, de la paix. La totalité des radios communautaires, dans leur grille de programme, dispose d'une émission Mhm. Droits et devoirs, qui est produite en au moins quatre langues. Locales. Locales, oui. Pour chaque radio. Oui, oui, pour chaque mhm. radio. Et il est question ici de mettre chaque citoyen devant ses droits, mais plus que ça, devant ses obligations aussi. Et une autre émission qui, elle, est en charge. Parce que parlant de la gouvernance, démocratie et développement, cultive également au plus haut point l'information sur la Constitution, mhm. le cadre légal qui régit notre pays. Et au-delà de ces émissions, ces deux émissions-là, il y a des débats qui sont organisés pour cultiver au plus haut point la culture de la paix, la culture de la tolérance. Et c'est à travers la radio et à travers euh, l'utilisation des langues nationales. Mm-hmm. Donc ça, en utilisant les langues nationales et en, choisissant des thèmes, en animant des émissions comme celle-là, on est en contact direct avec le subconscient des, auditeurs et des auditrices mm-hmm. du Niger parce qu'on s'adresse à ses auditeurs et auditrices en leur langue directement. Moussa Hassan, secrétaire général de la coordination nationale des radios communautaires euh, au Niger, vous étiez en train de développer beaucoup d'aspects de la radio, et, mais que font ces radios communautaires euh, dans le cadre euh, du dialogue de la tolérance et de la paix Aujourd'hui, je n'ai pas beaucoup d'exemples à donner, mais je vais vous donner un, petit exemple. Mhm. Avant, dans certaines zones, à chaque récolte, vous allez entendre que des éleveurs, des agriculteurs se sont hachés, se sont fait ceci, se mm. sont tués. Mais aujourd'hui, grâce à la radio communautaire, vous n'entendez plus ça. Parce que ces radios ont amené même les structures étatiques qui ont appuyé les communautés à mettre des comités en place comme les COFOCOM, euh, les COFOCOB, amener ces, ces comités à, faire le travail, à comprendre que à l'approche de chaque hivernage, il faut, chaque saison hivernage, il faut aller vérifier au niveau des couloirs de passage, est-ce que quelqu'un n'est pas en train de un chat là-bas Est-ce que quelqu'un n'est pas en train de, bloquer pour que les animaux ne puissent pas aller boire, s'abreuver au niveau du marigot Et ces gens-là reviennent dire au chef de village, effectivement, nous avons tourné, nous avons compris que telle personne est en train de poser telle personne est en train de... Et il le rappelle à l'ordre. Ça, c'est une contribution de la radio. Et je vous dis, j'avais voulu donner un petit exemple. J'avais rencontré une femme, elle m'a arrêté, elle m'a salué. Il dit, c'est Moussa, non C'est toi le directeur de la radio J'ai dit oui. Mais elle me dit, eh, elles ont organisé une activité génératrice de revenus, elles ont une tontine qu'elles créent, ils ont acheté des moutons. Et dans le quartier, il y avait 70 moutons qui, ont, qui, qui se sont égarés. Durant trois jours, ils ont cherché, elles ont cherché le, les moutons, elles ne les ont pas retrouvés. Mais quand elles ont passé le communiqué à la radio, mm. en une heure de temps, dans un autre village, une autre personne a téléphoné, et dont le chef du village, pour dire que les 70 têtes de moutons qu'ils sont en train de chercher là, ils les ont retrouvées. Est-ce qu'ils peuvent venir les chercher nous voyons clairement, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Nous voyons donc euh, que euh, les radios jouent un rôle prépondérant. Merci d'avoir expliqué ce bien fondé des radios communautaires. Mais quel serait alors votre mot euh, pour terminer votre appel afin que ces radios fonctionnent bien et qu'elles soient plus disponibles au profit des populations Mon appel, c'est d'abord un premier appel à l'endroit du gouvernement mhm. d'appuyer les médias communautaires, de faire en sorte que l'avant-projet de loi là soit une loi adoptée qui finance les radios communautaires. L'autre appel, c'est à l'endroit des institutions, des projets, des programmes, pour qu'ils continuent à appuyer les radios en termes de matériel, de formation et de moyens financiers aussi, mais aussi à l'endroit des communautés parce que nous, notre grande lutte, c'est que les radios aient l'ancrage communautaire qu'il faut. Nous sommes en train de faire en sorte qu'au niveau des radios communautaires, les capacités de ceux qui gèrent les radios soient renforcées de manière à donner l'ancrage communautaire à la radio. Que cette radio appartient à la communauté et doit servir la communauté. Merci Kamed Abdoulaye. Les auditeurs de la radio peuvent-ils continuer à espérer des nouvelles innovations dans le secteur de la radio aujourd'hui très concurrencé par la télévision inventé une trentaine d'années après l'existence euh, de la radio. Oui, en dépit, de l'existence de la télévision, effectivement, les radios communautaires, les radios tout court continuent à, rencontrer énormément de succès parce que là où la radio rentre, effectivement, même avec le développement d'Internet, même avec le développement des réseaux sociaux et tout ça, la radio continue à être quasiment indispensable. Donc il y a des progrès encore, qui sont attendus et j'ai la certitude absolue effectivement que les générations montantes là ont la possibilité d'exploiter avec pertinence ces outils là technologiques. Mhm. Ceci dit, je voudrais euh, préciser que tant que les radios en quelques secondes, nous sommes à la fin. Tant que les radios devraient être, continuer à être animées par des jeunes comme vous, qui faites confiance à vous-même, dont je suis fier pour avoir été directeur général de l'IFTIC, pour avoir participé à leur formation. Merci. Tant que des jeunes euh, continueront à faire confiance à eux-mêmes, j'ai la certitude absolue effectivement que la radio attendrait et les populations bénéficieraient d'énormément de progrès. Je comprends bien que l'ancien directeur de l'EFTIC euh, appelle à plus de professionnalisme. Merci pour ce conseil. <laughs> Chers auditeurs, nous sommes au terme de ce forum du studio Kalangou qui a eu pour thème contribution de la radio dans le développement socio-économique euh, et culturel des communautés au Niger, quel impact sur le quotidien des citoyens. Merci de nous avoir suivis. Nous étions en compagnie de Kamed Abdoulaye, ancien ministre de la Communication et ancien directeur général de l'IFTIC, et Moussa Sane, secrétaire général de la Coordination nationale des radios communautaires au Niger. Merci à vous, chers invités, d'avoir participé à ce forum. C'était à la présentation Michel Deji, à la technique Abdoulaye Yakuba à la réalisation Boubka Diallo. Au revoir.